Voilà, on va parler de la question maintenant migration. Euh, un fléau aujourd'hui qui, gangrène l'Afrique. Comment vous, vous comptez euh, aujourd'hui gérer un tel phénomène Écoutez, l'Afrique est à la croisée des chemins. Le monde est en train de redessiner sa géopolitique. Et euh, les pays africains ne doivent pas être en reste. Parce que la migration ne touche pas que nous seuls avec cette histoire de la Syrie, vous savez que beaucoup de frontières sont tombées. Donc beaucoup de personnes se ruent vers d'autres pays, mais particulièrement en Occident. Avec aussi les, la présence de Daesh, je mets entre guillemets, parce que c'est des créations aussi de l'autre. On est en train de voir un peu l'Asie, euh, un peu le Maghreb-Orient se déstabiliser. Avec l'avènement de Kadhafi, qui est arrivé parce que l'Europe a fait une ingérence dans les pays des autres. Ils sont venus dire qu'il faut la démocratie, l'égalité, alors que leur liberté n'est que le libertinage. Ils nous font faire tomber notre culture, nos valeurs, pour nous parler d'égalité qui n'a aucun sens. Quand je, on, dit que c'est choquant de voir une musulmane se voiler, moi je dis c'est détruire la base des valeurs des gens. Chacun a le droit d'avoir sa culture. Et donc, ils ont fait de l'ingérence en Libye, en Tunisie, en Égypte. Tout le Maghreb arabe en Afrique a été détruit. Et c'est pourquoi, quand on a certains actes terroristes, que ce soit au Bataclan ou ailleurs, il faut comprendre qu'il y a des moyens de riposte. Il y a des gens qui ne vont pas accepter de voir détruire comme ça leur pays, même s'ils n'ont pas la force de riposte, ils vont quand même essayer de faire mal. Donc la migration est un phénomène extraordinaire. Les pays africains qui essayaient tant bien que mal de partir, aujourd'hui, puisque le général Kadhafi n'est plus là, eh bien Lampedusa est ouvert et c'est par des millions de personnes maintenant qu'ils vont en Europe parce qu'il n'y a plus de gardiens. C'est maintenant seulement que les Européens regrettent la présence de Kadhafi. Ils ne l'ont jamais respecté, ils ne l'ont jamais écouté. Cette forme de migration, elle est douloureuse. Parce que non seulement nos enfants n'arrivent plus en Europe, où ils arrivent très mal en point, certains meurent en route, d'autres se perdent dans le désert de Libye, mais aujourd'hui, on les prend pour des esclaves. Et une chercheuse allemande qui me dit être, euh, italienne qui me dit être anthropologue, m'a appelé il n'y a pas 15 jours pour me demander si je pouvais avoir une TV avec elle. J'ai courtoisement refusé parce qu'elle avait entendu parler de l'esclavage des temps modernes. Et elle me parle de la migration des filles, nos filles, qui aujourd'hui vont en Arabie saoudite, vont dans les pays arabes. Nos filles n'ont jamais voyagé. Jamais. La fille était sous la protection de sa famille. Tant qu'elle est jeune fille. Quand elle est mariée, elle est sous la protection de son époux. Quand aujourd'hui nos jeunes filles même partent en voyage, c'est regrettable. Les gens ont échoué. Il faut trouver des solutions. La migration est une question centrale qui règle les questions de sécurité, qui règle les questions de terrorisme, qui règle les questions d'économie mondiale, qui règle les questions de liberté. Et euh, c'est pourquoi je ne comprends pas que le président Sall euh, enlève le ministère du Sénégal de l'extérieur pour le fondre dans le ministère des Affaires étrangères. Parce que le Sénégal de l'extérieur, c'est l'individu qui est parti, ou qui veut partir, ou qui est en train de rentrer. Il est différent de la politique des États, de la politique des États en tant qu'entité libre, égale et d'égale euh, dignité, qui doivent travailler dans la coopération. Je pense qu'il va revenir sur cette décision-là. Euh, je pense que c'est un homme sage, parce que cette question de migration, elle est très sérieuse. Alors, nous, nous nous battons déjà pour que les franges les plus défavorisées, que sont les femmes, mhm. les filles et les enfants qu'elles emportent avec elles, mhm. parce qu'il y a des femmes enceintes qui partent, il y a des femmes qui partent avec leurs enfants, comme Mous, digen comme dire. Et toutes ces, ces personnes-là, nous nous en occupons aujourd'hui pour essayer de les retenir avec ce que j'ai dit. Je vais vous montrer les machines à coudre que j'ai et que je donne aux femmes. Plutôt qu'à la Corité et la Tabaski à la rentrée des classes, pour chaque événement, nous importions 4 millions de robes pour nos petites filles. Je voudrais que ces femmes-là fassent ces robes, qu'elles fassent de la couture, de la broderie, des nappes de table, qu'elles fassent des sets de table, qu'elles fassent des paniers à pain. Nous utiliserons certains et les autres, nous irons les vendre à Thanksgiving, par exemple. Mais on leur donnera un emploi, on leur montrera comment gagner leur vie avec dignité sans le territoire. Dans la migration, il y a cette question des retraités. Beaucoup qui ont travaillé dans les pays de l'Europe. Actuellement, nous sommes en discussion avec, euh, nous sommes l'État du Sénégal, je veux dire, est en discussion avec la France. Parce que tous les Sénégalais retraités qui sont au pays doivent tous les trois mois aller en France, sinon ils vont perdre leur retraite. Parce qu'ils doivent émarger. C'est une difficulté, il faut qu'on convoque cette commission mixte. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Paraît-il même qu'il y a des blocages, je ne veux pas aller plus loin. Vous allez en Espagne, il y a des zones où il y a beaucoup de Sénégalais qui ont acheté des maisons et qui y vivent, qui ne veulent pas rentrer. Parce que simplement, s'ils rentrent, ils perdent leur retraite. Il faut que ces commissions mixtes-là, on les ouvre. C'est pourquoi nous voulons aller à l'Assemblée nationale. Exiger des ministres en charge de ces dossiers-là qu'ils convoquent les commissions mixtes pour répondre à ces questions, sinon on ne vote pas leur budget. Parce qu'un parlementaire a toujours un moyen de pression. Il a toujours un moyen de discussion. Il peut faire un plaidoyer, il peut accompagner un processus, mais il peut aussi bloquer une institution. Et c'est pourquoi il est important. D'abord, à ce niveau, aller à l'Assemblée nationale, c'est bien pour plaider euh, pour la cause de Beaucoup ces, de causes, oui. migrés-là surtout. Mais n'empêche, vous avez des propositions ou bien des solutions à à, proposer ou bien à... À, à pardonner des emplois À des emplois. Pour que ces, gens-là restent À part aider, aider, hum. comme a fait la ministre des Philippines, hum. qui, qui a euh, un personnel important, je veux dire une population importante dans les systèmes des Nations Unies, parce qu'ils ont formé des domestiques en Philippines. Ils leur ont appris les langues qu'il fallait pour permettre à leur population d'être domestiques. Dans presque tous les systèmes des Nations Unies, il n'y a que les Philippins qui sont là-bas des domestiques. Parce qu'il faut aussi trouver des solutions pour ceux qui veulent partir quand même. Parce qu'il y a des personnes qui veulent partir, il faut les former, les préparer. Parce que la migration est un droit pour qui veut la faire. On ne peut pas retenir quelqu'un simplement parce qu'il ne doit pas. Non, non, non. Si quelqu'un veut partir, on doit, l'aider, l'accompagner, lui montrer comment faire. Aujourd'hui, il y a les BAOS, les bureaux d'accueil et d'organisation des Sénégal de l'extérieur, qui vont leur permettre, euh, les aider à partir. Et là-bas, il y a une formation pour celles qui veulent être domestiques, mais même pour celles qui veulent, ceux qui veulent valoriser leur art, leur savoir-faire. Je n'aimerais pas que les cerveaux partent, parce que l'Afrique a besoin de ses fils. Mais bien sûr, il y a des pays aussi qui payent assez cher pour avoir ces cerveaux. Et ça aussi, on ne peut pas ne pas laisser les gens y aller s'ils ont envie et besoin de le faire. Et donc, nous aidons aussi cette partie-là. Ceux qui veulent partir et qui n'ont pas les moyens de partir ou qui ne connaissent pas comment faire, nous les formons et nous les aidons et nous les accompagnons. Euh, nous proposons aussi, je l'ai dit tantôt, une médiation, et c'est important, une médiation pour les familles. Nous proposons aussi, nous n'avons pas encore euh, notre maison pour recueillir certains enfants. Parce que parfois, nous rencontrons des familles euh, décimées, où il n'y a plus de parents et il y a des enfants. Nous ne souhaitons pas ramener les enfants au fin fond de d'où ils viennent. Nous aurions souhaité les, les garder. C'est pourquoi dans FEMIDEC, il y a comme perspective la maison des Sénégalais, des enfants faits par les enfants. Ça, c'est dans mon rêve, mais j'espère pouvoir un jour y arriver pour recueillir des enfants nécessiteux qui ont besoin d'être encadrés. Dans FEMIDEC, il y a aussi le plan de retour par un développement communautaire. Il faut que les Sénégalais travaillent avec leur commune d'origine. Mhm. La localité d'où vous êtes issu, il faut qu'elle puisse, comme dans une maison de verre, mhm. faire des conseils municipaux sur Internet, où on peut participer directement mhm. aux conseils municipaux. Les, ceux qui ne sont pas élus n'ont pas le droit à la parole, mais ils peuvent suivre. Et après avoir suivi le conseil municipal, sachant les problèmes les programmations, les planifications, les orientations de la collectivité locale, ils peuvent recueillir après les besoins du conseil municipal et dire s'ils peuvent accompagner ou non tel processus. Ça peut être un accompagnement en argent, un accompagnement en idées, un accompagnement technique, un accompagnement en savoir-faire. Il y a certains qui peuvent prendre des vacances, pour chaque vacances, un mois, ils viennent servir la collectivité locale et repartir. Parce que parfois, ils font des métiers dont la collectivité a besoin. Et donc, il faut préparer son retour comme ça. S'il faut, euh, je le disais un jour aussi, notre hein, État, c'est lui qui fait les logements sociaux. Mais je pense que chaque collectivité locale devait pouvoir faire elle-même ses logements sociaux. Et ça permettrait à la main-d'œuvre locale de trouver du travail, mais ça permettrait aussi à ceux qui sont de l'autre côté de nous faire bénéficier des derniers modèles, des dernières euh, technologies les plus neuves, les plus fraîches on pourrait en faire dans les collectivités. Donc, ça va être un transfert de compétences, un transfert de technologies important. Donc, FEMIDEC aide à, tout ça. Mhm. Voilà, FEMIDEC aussi compte aller participer au législatif euh, sous sa propre bannière. Euh, comment et avec qui Comme avec euh, le président Diop, c'est sur une liste que nous avons voulu indépendante, c'est-à-dire des personnes de bonne volonté d'abord, mais surtout des personnes qui ont des missions précises et pour lesquels, et je, chaque fois que j'arrive par là, je rends hommage au président Latif Gueye et je prie aussi sur sa mémoire. J'espère qu'il est à côté du prophète Mohammed salam dans sa vaste demeure. Et je fais aussi un clin d'œil à sa famille, à Olimata, aux enfants. Et euh, lui, après 15 à 19 ans de lutte pour vraiment éradiquer euh, le commerce de la drogue au Sénégal, il a dû passer par une liste du président du Parti démocratique sénégalais, du président Abdoulaye Wade. Il a été député et en moins de trois mois, il a fait voter sa loi. Nous souhaitons, nous, sur toutes ces questions qui concernent le Sénégal, ces questions de ressources propres, parce qu'il faut que nos richesses euh, soient entre des mains beaucoup plus quand même euh, solides et, vraiment fortes que les frêles mains seulement d'un président de la République. Nous souhaitons aussi que les commissions mixtes soient ouvertes régulièrement pour s'occuper des questions des Sénégal de l'extérieur. Nous souhaitons que tous les Sénégalais qui vivent à l'extérieur jusqu'à avoir des pensions de retraite puissent venir paisiblement dans leur pays avoir droit à ces pensions. Nous voulons qu'il y ait des prises en charge sociales des enfants, qu'ils soient nés ou non sur les territoires de ces populations-là il y a une, grappe, pour ne pas dire un chapelet de doléances et de préoccupations que nous avons et que nous voulons faire passer par des lois. Il est vrai que les lois au Sénégal ne peuvent pas prévaloir dans les pays de l'extérieur, mais nous pouvons avoir notre position et dire à l'autre, fais un pas, nous allons faire un pas. Donc, ouvrir des négociations fertiles. Vous allez me dire qu'il y a des Sénégalais de l'extérieur, 15 en l'occurrence, qui sont candidats pour les élections législatives. Mais ce sera très bien. Nous serons en nombre suffisant pour pouvoir nous battre afin que nous puissions arriver à cela. Voilà, nous en étions au législatif avec euh, les députés à l'Assemblée nationale. Généralement, bon, c'est ce que vous ne voulez pas entendre, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate aussi. Euh, vous changez de, veste et maintenant c'est pour votre propre compte, comme disent les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui le disent. Et c'est comme ça qu'ils le disent. Vous en dites quoi euh, je respecte les Sénégalais, je respecte mes futurs collègues députés. Et euh, je pense peut-être que c'est le moment pour les Sénégalais d'ouvrir les yeux pour savoir qui mérite leur vote. Il ne s'agit pas simplement de constater qu'il y a de grands partis, des partis au pouvoir, des partis de l'opposition, qu'il y a une recomposition politique en vue, etc. Mais il faut, dans leur fort intérieur, dans le calme de leur maison et sous un oreiller douillet qu'ils se posent la question. Qui doit aller au Parlement du Sénégal pour me représenter Est-ce que cette personne mérite mon vote Est-ce que cette personne a quelque chose dans la tête Est-ce que cette personne peut apporter quelque chose au pays Est-ce que cette personne est au fait des enjeux nationaux, sous-régionaux et internationaux est-ce que cette personne peut porter haut le drapeau du Sénégal Est-ce que cette personne, dans sa ténacité, sa pugnacité, cette personne, est-ce qu'elle est assez teigneuse pour représenter le Sénégal et l'Afrique dans les parlements du monde Est-ce que cette personne a un programme Est-ce que cette personne peut m'aider, moi, jeune Sénégalais, à éclore et à vivre ma vie Nous sommes arrivés à un moment où les Sénégalais doivent choisir leur député un député parmi tous. Et ça, ça va arriver dans ces élections-ci. Là, ça arrivera dans les élections prochaines, parce que c'est ça qui va faire une recomposition de la politique pure, la réelle politique du Sénégal et de l'Afrique. Euh, may ñaan donc euh, sénégalais yëpp kenn ku nekk bul seet ndax ñii waa ñoo nekk ci nguur gi bul seet ndax ñii ñoo nekk ci bul ndax ay parti politique yu mag la bul seet ndax ñii dañoo am doole am nañ oto yu bëri am nañ réer bu bari mais seetal kenn ku nekk nit ki nga xam ni xelam doy na la waxam doy na la xalaatam doy na la pas-pasam doy na la seetal ki nga xam ne xam nga ne am na xalaat ci li ñu koy laaj seetal ki nga xam ni rusul ragalul nasaraan bi seetal ki nga xam ni ameelul kenn lu tee mu wax dëgg seetal ki nga xam ne ñeme naa gunge senegal fa mu war a yegg mais seetal ki nga xam ne nag bu koy def du tekki lam tekki jaaro wax lu ñaaw seetal koo xam ni dina sol sol ko bu yiw dina wax wax bu yiw wax wax bu dal mais bu am ful la seetal ki nga xam ni euh, doon na koo xam ni euh, mën na porter suñu drapeau ba Nations Unies ba pencu ndaw réew àdduna bi te benn yoon bu demee ba ñëw rek kersa duñu jàpp mais seetal aussi koo xam ne day sóor suñu diine di sóor suñu aada parce que képp ku am complexe ci loolu rek soo demee ci yenn réew yi ñu indil la ay droits de l'homme ba dugalal la ci sa réew donc war na doon ku position position Dinem, position Adam, mais position moi Sénégal le Sénégal. mais est-ce que est-ce que vous vous pensez que réellement cela existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. je pense faire partie de ces personnes-là je pense être assez engagée pour mon pays assez engagée pour l'Afrique mais je pense avoir dans la tête des propositions, des programmes, des propositions de loi, des orientations, une programmation qui peut sauver ce Sénégal, qui peut nous permettre de marcher de nos propres pieds, de vivre des biens que nous avons et de réserver même des richesses pour les générations futures. Parce que si le Sénégal et l'Afrique n'ont pas les moyens de forer ses puits de pétrole, d'aller attaquer son gaz pour en bénéficier, il n'a qu'à les garder pour les générations futures et continuer à travailler de dur labeur pour pouvoir s'en sortir. Je pense aujourd'hui que le le Sénégalais doit choisir lui-même, tranquillement, la personne qui ne va pas boxer à l'Assemblée nationale, qui ne va pas injurier à l'Assemblée nationale, mais qui va de manière responsable, respectueuse, même, euh, même euh, magnifique, qui va défendre le Sénégal, qui va apporter aussi des solutions. Euh, au Parlement du Sénégal. Et pour cela, donc, euh, la recomposition se fera d'abord avec cette élection pour démarrer, mais aussi avec celles qui vont venir. Nous allons connaître une recomposition politique qui va ramener une sérénité dans le paysage euh, sénégalais. Justement, les élections se profilent, campagne démarre. Comment vous comptez vous y engager, vous Je suis déjà dans la campagne depuis à peu près deux mois. J'ai déjà commencé à, rencontrer les Sénégalais parce que moi, je ne fais pas de... Je fais de très rares sorties médiatiques. J'ai fait une pause, ce qu'on appelle Tarao J'ai fait une pause à la veille de, euh, du mois de Ramadan pour un peu faire une assemblée générale de ce que j'avais commencé à faire à Rufisque. Et ça a été très porteur. Mais moi, je fais foyer par foyer, maison par maison, dans les salons, dans les associations. Je parle aux populations. D'elles à moi, je leur propose mon programme, elles me répondent. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé à quelqu'un qui ne m'a pas qui ne m'a pas reçu. Encore que, encore que, encore que, là où je suis allée, ce sont les, ces personnes-là qui m'ont appelé. Je n'ai pas encore sollicité et un groupe ou une famille. Ce sont elles qui cherchent à me joindre, qui cherchent mes collaborateurs, qui cherchent mes téléphones pour me contacter et me dire nous souhaiterions travailler avec vous parce que nous avons entendu depuis longtemps déjà. Nous vous connaissons depuis longtemps et nous souhaitons cheminer avec vous pour vous porter à l'Assemblée nationale. Donc, euh, je pense être une très bonne candidate pour le Parlement du Sénégal et d'Afrique et d'ailleurs. Ah, nous tendons vers la fin de, cet entretien. Euh, avez-vous un discours que vous voudriez, ou bien un message que vous voudriez lancer à l'endroit de ce peuple sénégalais-là Je voudrais commencer par moi-même, ma famille, mes enfants, mes amis, et parler en même temps au peuple sénégalais. L'Afrique est à la croisée des chemins. L'Afrique a besoin de tous ses fils. Nous devons travailler pour ce pays et pour l'Afrique. Nous devons nous libérer du joug de l'étranger. Nous devons respecter notre alimentation, respecter nos vêtements, respecter nos parures, respecter tout le cuir qui nous entoure en chaussures, en sac ou en calepin. Nous devons consommer ce que Dieu nous a donné. Ce qu'il nous a donné en Afrique, noir surtout où je vis, c'est le blé, c'est le mil, c'est le maïs, c'est le niébé, ce sont les légumes, c'est l'arachide qui n'est pas cancéreuse. C'est l'excès de consommation d'huile d'arachide qui peut amener cela. Mais aujourd'hui, ceux qui nous disent que nous ne pouvons pas l'utiliser, euh, c'est eux qui ont l'huile les cire qu'ils envoient en Europe. Et on nous fourgue cette huile végétale qui, même si on la pose un peu, euh, se, congèle. Je pense que les Sénégalais comme les Africains doivent comprendre que nous ne pouvons pas avoir été esclaves chez eux et revenir être esclaves chez nous. Les richesses du Sénégal et de l'Afrique doivent rester entre nos mains. Nous devons nous battre pour mériter les prières de Cheikh Bamba. Nous devons nous battre pour mériter les prières de Elaj Maliksi, les prières de, mon grand-père, l'imam Mahdi, les prières de tous ces grands érudits. Parce que nul ne sait quel est le saint corps qui a fait jaillir le pétrole du Sénégal, qui a fait jaillir le gaz du Sénégal, parce qu'on a des corps très sains en ce sous-sol sénégalais. Il ne faut pas que nous le bradions. Il ne faut pas que ce soit une ouverture pour euh, une déchirure de notre pays, mais plutôt, ça doit être un ciment qui doit fédérer toutes les forces sénégalaises, toutes les forces africaines. Nous devons retenir nos enfants, qu'ils n'aillent pas migrer. Nous les retiendrons parce que nous leur proposerons des emplois mais nous les retiendrons parce que nous les aimerons, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de ressources. Nous les retiendrons parce que l'Afrique a une démographie correcte. Et dans moins de 5 à 10 ans, les pays européens auront besoin de, de, la force euh, vive africaine. Et à partir de ce moment-là, vous comprendrez combien c'est cher un être humain, combien c'est important un être humain, combien c'est valeureux un être humain. Je suis sûre que l'Europe sait qu'elle est terminée, qu'elle est finie mais elle nous snob, elle nous regarde de haut, elle nous repousse, elle ne veut pas de nous. Nous non plus, nous ne voulons pas d'elle. Mais cela, nous n'avons pas besoin de le dire. Il faut le faire. Arrêtez de consommer européen, arrêtez de consommer étranger. Consommons ce que nous produisons. Votez pour moi, parce que moi je vote pour vous. Voilà, nous vous remercions vraiment de nous avoir ici aujourd'hui, c'est vous, et de nous faire part de vos engagements, de, votre programme, mais aussi de ce que vous avez comme ambition pour le, Sénégal. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, franchement, et je découvre avec beaucoup de bonheur l'équipe choc de Keolo et en avant Keoulo, Keolo Tchekanam.